porte-parole de Bok responsable Bok dans le département de Dakar, de Dakar Plateau et dans le département de Dakar. l'objet de la rencontre C'est une rencontre régulière, comme on la tienne tous les 15 jours. C'est la fédération départementale de Dakar qui s'est réunie pour apprécier la situation politique, certes au plan local, mais surtout au plan national. Mais pour le cas présent, il s'est surtout agi de préparer les troupes et les associations adhérentes par rapport à la massification. L'ordre du jour d'aujourd'hui tournait autour des préparatifs face au parrainage qui profile à l'horizon. Il a été aussi une occasion de fustiger avec la dernière énergie l'attitude du petit test du ministère de la Pêche, je veux dire de ce régime en place, qui délibérément a décidé de, démettre quelqu'un de ses fonctions parce que tout simplement, il a décidé de porter les couleurs de Boko Il s'agit entre autres de Dr Abib Diagne, qui était euh, l'inspecteur financier et administratif du ministère de la Pêche, qui depuis deux semaines ne l'est plus parce que tout simplement, l'homme a décidé d'entrer dans Boko Nous dénonçons cette manière de faire, nous dénonçons cette partie prise du ministère et cet excès de zèle de ce régime qui prouve encore si besoin en était, après le cas de ma propre personne au niveau de la, du ministère de la fonction publique, voilà encore un autre jeune de Bok Gis responsable, victime de ce parti pris de ce régime-là, qui est docteur Abib Diagne. Au nom du département de Dakar, au nom du comité directeur, au nom de Bok Gis de manière générale, nous fusions cette attitude pour dire simplement à de patienter parce que ce régime est finissant et que dans huit mois, nous changerons de président et que le président Pape le rétablira dans ses droits pour qu'il continue d'exercer comme bon patriote. Et tous ceux d'ailleurs qui ont subi d'injustice par rapport à ce régime, qu'ils se le tiennent pour prêt que sous peu, dans huit mois exactement, nous changerons de régime et nous sommes presque sûrs que le président Pape sera le prochain président de la République et l'injustice sera réparée et que les gens entreront dans le droit c'était ce qui a été dit. En attendant maintenant que les femmes de Boko Gizgiz, avec les cadres de Boko Gizgiz, comptent organiser une grande caravane de sensibilisation sur le parrainage qui jusque-là reste encore flou au niveau du département et préparer, nous, notre liste et être prêts pour qu'au soir du 24 février, le président Pabio puisse triompher avec Boko Gizgiz comme parti. Comment se, comporte, comment se porte le dans le département de Dakar Le Gizgiz se porte très bien, vous pouvez le constater avec ses braves dames et ses braves messieurs le Bok Gizgiz, comme du reste à, Dakar, comme dans le reste du Sénégal, est un parti qui a décidé d'opérer autrement. Vous autres hommes de médias, vous nous taxez souvent de, ne pas être trop visibles dans vos médias. Parce que tout simplement, le débat politique aujourd'hui va très bas. On parle d'argent volé, on parle de traque de biens mal acquis. Dans ce moment, nous, on a été blanc comme neige. Mais dès lors qu'il s'agira de parler de programme et d'ambition, vous verrez le président Pape Diop et Bok Gizgiz dans des positions responsables pour décliner leur vision pour un Sénégal meilleur que celui-là qui nous est proposé par des gens qui ne sont même pas capables de nous fournir l'eau pendant 24 heures au niveau de nos maisons. Et vos rapports avec les autres membres de l'opposition Vous savez, par, par essence, notre siège est le siège de l'opposition. Parce que celui qui dirige notre parti est un homme de consensus. Pape Diop est un homme qui sait comprendre, qui sait accepter la différence et qui sait ouvrir ses portes. Nous nous portons très bien avec nos frères et sœurs de partis libéraux, comme d'autres partis et même des associations. Parce que nous avons à la tête de notre parti un homme responsable qui sait faire le sens de la mesure et qui a ouvert ses portes à toutes les forces vives pour qu'ensemble nous fossions qu'une seule force pour bouter ce régime hors du pouvoir. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que le président Macky Sall va passer directement au premier tour Je leur réponds tout simplement qu'il s'inspire de l'histoire du président Macky Sall qui, au, à l'élection, était vu et même chahuté dans la délégation dans laquelle j'étais avec le président Ouad, lui avec ses deux voitures y aller En tant que croyants, nous disons que ce qui se passera demain, seul Dieu est maître. Et le seuls combats perdu d'avance, c'est ce qu'on livre, ce qu'on refuse de livrer. Nous nous restons convaincus que le Sénégalais a tourné le dos au président Macky et que Pape Diop est la solution pour l'avenir. Je vous remercie. man la Moussa Diakhaté yor kàddu parti bi waaye itam di responsable bokk gis-gis ca dakaar Plateau nekk it ci responsable yi jiite parti bi fii ci département Dakar waxtaanu tey wi nag euh, du woon lenn lu dul dafa bokk ci ay bés yu nekk ñaari ay bés yu nekk ñu daje waxtaan waxtaanee lu jëm parti bi fexe nu ñuy dundalee suqaliwaat sunu parti waajal li nga xam ne ci leen jëm muy élection yi.

ñu ni lii nag du luy màggal démocratie du luy réyal régime bi waaye du nu bett ci ñoo xam ne xamuñ lu dul xeex xaxaar ak dàqe soo àndal ak ñoom yaakaar nañ ni baaxoo yaakaar nañu mënoo dem li ñu def Habib Diagne nag département Dakar yépp ñoo ànd di ko naqarlu di wax ni nguur gu tële rek mooy doxalee ni euh, njiit lu jaaxle rek mooy jëfee nii waaye incha allahu rabbi ñu ni ko moom ak ay moromam ñu muñ te xaar ni nguuru Macky Sall gi jonkan mun na koo xaar huit mois moo ci des incha allahu rabbi président jël réew mi président Pape Diop lay wax jël réew mi ñoo ñu nga xamoon ne jaayoon nañ doole ñu tegaat leen ci kaw yoon ñu ànd ci loolu lañ leen wax ak keneen koo xam ne ni mos ngaa subir injustice jàppal ni président Pape Diop a ci yoon di ñëw te bu jëlee réew mi dana jaar ci yoon képp ku tooñoon dañ la teg ci yoon itam incha allahu rabbi tolluwaayu bokk gis-gis fii si département Dakar. bokk gis-gis jamono jii mu toll ci département Dakar boo xoolee jonga may yi ma wër nga xam ne c'est des grandes dames des leaders ak des cadres yi nga xam ne ni nga xam ne ni parti bi mu ngi dund mu ngi dox. li desoon rek ensuite mooy que ñu lancer maintenant cadence bi te incha allahu rabbi gëm nañ ni bu ñu naanee ndox incha allahu rabbi danañ gisul mos sa gis ci wàllu boo gis ci département Dakar ñu ngi sant yàlla di ñaan yàlla mu yokk ndax nit ñaa ngi gisee di waxtaan di demalante dikkalante ñun nag dañoo bokkul ci ñi nga xam ni dañuy wut buzz ndax wut buzz yóbbu na la ba nga ci wax loo xam ne nii danañ la ci mere wala ñu jiñ la ci ki ñu àndal nag daa niru sëriñam ba di sëñ Abdou Xaadir Mbàkke wax ja daa néew jëf ja bëri wax ju amul solo wax ju tegginul wax ju tegu doonu ca gis ku ñuy xaal na ci liggéey ci farata boo fa demee fekk ñu ci terrain ba boo gis nii la bindoo wax tuuti jëf lu bari moo tax lu bari du ngeen ñu ci dégg. waaw looy tontu ñi nga xam ne dañ ne président Macky day jàll premier tour. waaw dama dama leen di fàttali rek euh, ba nga xamee ñi nga woon ca campagne ba man ma yoroon kàddu ndaw parti boobu ma bokkoon muy PDS Ablaye Wade di campagne nekk suñu candidat Sénégal ak genn wàll wu topp ko ca campagne ba Macky romb ak ñaari otoom ba ñu koy xàqataay ku nekkoon yaay falu du ko gëm ñun nag ñu bokk di ay di gëm di gëm nii fal mbiru yàlla la moo koy joxe liñ mën mooy tàllal suñu loxo liggéey def yëfu nit bàyyi yàlla def yëfu yàlla am di ko ñaan ci barke weeru koor wi yàlla na fal Pape Diop mu su yaakaar ne mooy falu bala 24 février dina xam ne ni Sénégal yi génn nañ ci moom Merci beaucoup.